comme vous l'aurez remarqué aujourd'hui, euh, les travailleurs de la justice tiennent un sitting ce matin sur toute l'étendue du, territoire national. C'est une façon de manifester notre indignation face à l'attitude du gouvernement avec qui nous avons travaillé dans un processus de, mise en œuvre de réformes statutaires et indemnitaires jusqu'à parvenir à un protocole d'accord. Un protocole d'accord donc a été signé entre les travailleurs de la justice représentés par le Sud-Juice et le gouvernement du Sénégal représenté par le ministre du Budget et le garde des Sceaux. Ce qui s'est passé est quand même assez inédit, parce que là où on était en droit d'attendre que l'État respecte ses engagements, c'est une volte-face inqualifiable à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors nous voulons dire simplement, de manière très ferme, que les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre l'institution judiciaire pour défendre leur administration, pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Ce n'est pas trop demander à un gouvernement que de lui dire, face à sa responsabilité, messieurs, respectez les termes de l'accord intervenu entre nous. Nous avons un protocole d'accord, bon Dieu, signé entre les partis, dûment signé par le gouvernement du Sénégal et le sud Et tenez-vous bien, ce qui s'est passé est quand même inédit. L'État engage la mise en œuvre, parce que l'État s'était engagé à payer les 40% de ces augmentations sur le régime indemnitaire à partir du mois dernier. L'État engage donc la mise en œuvre jusqu'à ce que les travailleurs par eux-mêmes constatent l'effectivité de la mesure sur leur bulletin. Et comme par enchantement, on se réveille en assurant les actes de suivi, on se rend compte que ces montants ont été tout bonnement retirés. Mais c'est une catastrophe, c'est inacceptable. C'est indigne d'un gouvernement qui se respecte. Alors nous voulons dire à l'opinion nationale, publique, nationale et internationale, qu'il se passe des choses inacceptables dans une république. Les travailleurs de la justice sont des légalistes, c'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas en grève illimitée. Nous avons un préavis qui est en cours et une fois que nous atteindrons le terme de ce préavis, eh bien nous risquons de, paralyser, totalement l'administration de la justice. Mais avant cela, nous avons prévu d'organiser des sittings dans toutes les juridictions du Sénégal chaque semaine. Et en plus de cela, il y a une marche nationale qui est prévue avant d'arriver à cette grève illimitée qui se profile à l'horizon. Et nous voulons dire que c'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est quand même inacceptable ce qui se passe. Être dans une république, signer des accords avec un syndicat et ne pas les respecter comme ça sans autre explication, c'est quand même inédit. Tout le monde doit le reconnaître. L'effort que le gouvernement est en train de faire pour mettre les travailleurs de la justice en mal avec l'opinion, mais c'est un effort qui va être vain parce que nous sommes aussi là pour dire à l'opinion que nous avons été trahis par ce gouvernement. Ce gouvernement nous a trahis parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Et ce n'est pas trop demandé que de demander à un État qui a signé des, accords de les respecter. Ce n'est pas trop demandé. Donc, nous, voulons dire que le problème des travailleurs, c'est euh, l'implication insuffisante de la chancellerie dans la prise en charge de leur doléance. Le ministre de la Justice, sa mission première, c'est de s'occuper de la bonne marche de l'institution judiciaire. Il ne le fait pas pour les travailleurs de la justice. Parce que s'il le faisait, s'il l'avait fait, Aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Tous les points sur lesquels nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement du Sénégal ont, été obtenus au bout d'un processus. Les réformes statutaires, le texte portant sur ces réformes a été adopté en Conseil des ministres, tout le monde le sait. Ça fait plus de trois mois que nous attendons la signature du décret, ce qui est inacceptable. La réforme sur les fonds communs, idem. Mais le comble, le comble, c'était bien entendu cette mesure de retirer les 40% qui étaient déjà mis en solde, c'est ça qui c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale que les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre leur administration, pour défendre les intérêts du citoyen. Parce que si nous arrivons à avoir une administration de la justice qui marche correctement, c'est au plus grand bonheur des citoyens, parce que ce sont les citoyens les usagers du service public de la justice. Demander d'être mis dans de bonnes conditions de travail, demander un traitement salarial décent pour, pour nous permettre de préserver notre dignité, il n'y a pas un combat plus légitime. Et nous allons le porter jusqu'au bout. Voilà ce que nous voulons dire. Nous avons été abusés, nous avons été trahis et nous nous battons dans un instinct de survie avec l'énergie du désespoir pour défendre l'institution judiciaire, pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de la justice. Voilà le sens de notre combat ce matin. Alors, li waral sunu ndaje tey mooy euh, wane sunu naqar ndax euh, gouvernement bu Sénégal dafa nekk di wor liggéeykat yi nga xamante ni ñoo nekk ci ëttukaay yi ëttu attekaay yi bu ma nee wor nag ñu bëri dinañ am jaaxle waaye boo seqee ak sa nawle ngeen tënk ay accord signé ko avez euh, ba jot defoo ko da ngaa wor sa kàddu loolu la ñuy wor pour mu leer ci bopp nit ñi

ba tënk ay accord nguur ga xëy euh, bañ a respecté yooyu ñu jàpp nag ne ñun ay sénégalais lañu ay doomu réew mi lañu te am nañu sañ-sañ nag li ñu yoon may ñu def ko moom moo tax tey ñu tàmbali ay sitting fas yéene def marche nationale le 12 fas yéene également jëm ci grève illimité bu fekkente ne jafe-jafe yi am nga xam ne am nañ ko kenn saafarawu ko li ñu bëgg a wax rek mooy ñun kenn mënuñoo booleeg askanu Sénégal parce que ci la ñu bokk. bu fekkente ni jàpp ni grève yi bu bare ci justice dina ñëw dañuy gëmloo askanu Sénégal ne ñi dañoo bëri ay grève dañuy nax seen bopp li xew sénégalais yi ma wax leen ko mooy gouvernement bi dafa jël ay engagement te nanguwu ko respecté boo seqee ak sa nawle ngeen waxtaan ba déggoo ba signé ay accord wax dëgg yàlla li ñuy xaar ci yow en tant que gouvernement mooy nga respecté ko respecté wuñ ko nag jafe-jafe bu am ci justice bi ñoom la il faut mu leer ñu bëgg wax également ne ñun liggéeykat yi nga xamante ñu ngi ci mere nañu garde des sceaux lool suñu de la justice nañ ko lool ndax li ñu doon xaar mooy mu taxaw taxawaay bu mat sëkk pour que jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi jànkoonte ak moom état bi indi ci ay saafara liggéey nañ ci nag ba egg fenn fi desul lenn lu dul mettre en œuvre des accords waaw wax dëgg yàlla li ci des mooy ñu ñu sàmm seen kàddu looloo amul nag moo tax ma wax Sénégal ne leen liggéeykat yaa ngi nii fépp ci Sénégal lii moo fa xew taxaw nañu tem pour xeex suñu ak ak suñu yelleef te lu mu jar nag dinañ ko jënd parce que nag dañoo tooñ te loolu ñëpp dañoo war a xam ne lu am la dañoo tooñ sa boo waxtaanee gouvernement ba ngeen tënk signé ba mu des ay mise en œuvre nga nga tàmbale ko ba ba yàgg nga jég nga suspendre ko mais loolu boo waxee ne war la waxoo lu ëpp lu war dañ ñoo war kon nag na gouvernement bi jël ay responsabilités parce que sénégalais yi aussi sonn nañu sonn nañu ñëw ci administration am ay droit te kenn respecté ko dafa metti mais suñu ay mag suñu ay sœur suñu ay jabar suñu ay doom ñoo ñëw ci administration de la justice bi bu doon suñu sago soxla yi ñu fi am yëpp day faju mais conditions yi ñuy liggéey nii wallaay mënuñu leen satisfaire moo tax ñuy woo état du Sénégal pour mu respecter ay engagement pour ñu dellu ci liggéey parce que liggéey nag mooy defar réew